Je prends le E pour écrire avec le sourire. Le C pour compter sur mes doigts sans tricher. Je prends le O d'oublier. Ça peut arriver, je prends le L des leçons après la récréation. On vous laisse le E pour écouter notre chanson.

ci loolu nag euh, ñu ubbee li nga xamante ne moom mooy boobu série de reportage et d' activité institut bi di institut El Hadj Omar Foutiyou nekk ci Scat Urbam Scat Urbam euh, Grand Yoff euh, macha allah takkaloo ak CM Scat Urbam bi ci loolu nag ñu commencé fi nga xamante ne moom mooy. préscolaire bu institut la Jamar Foutiyou Tall ñu dem ci maîtresse Diallo macha allah mu tenir ñu une belle classe ñu génn ci moom dem ci maîtresse Kiné moom tamit macha allah mu defal ñu une très belle prestation. Euh, ci moyenne section bi ñu war ko jéxalé nak euh, ci euh, préscolaire bi war ko jéxalé fi ci grande section bi ak maîtresse Awa mom tamit dañuy dugg ñu xol mom tamit naka lay tenir classe am ak ay élèves bonjour chers élèves. vous n'avez pas encore pris le goûter. hein donc vous avez toujours faim hein donc il faut qu'on augmente le goûter encore ah kon kon kay il faut dire bonjour maîtresse wala madame. allez bonjour bonjour madame. mais bonjour à vous euh, bonjour maîtresse Kiné ma euh, maîtresse Awa machallah. Nous sommes tam ñu ñëw tey moom dañuy ñëw rek toog seetaan la. nga ñu xool yow tamit naka ngay dérouler say activités, naka ngay tenir sa classe inshallah allahu taala ñu bàyyi nga doxal. bismillah euh, bonjour je m'appelle Aomane, je suis maîtresse en grande section à l'école LH Hadj voilà, je voudrais vous présenter une euh, révision sur quelques activités vues en classe. Bonjour les enfants. Comment ça va Ça va très bien. Comment vont papa et maman Ils vont très bien, merci les enfants. Allez debout. Assis Debout Qu'est-ce qu'il y a dans vos mains Qu'est-ce qu'il y a dans vos poches Qu'est-ce qu'il y a dans la bouche Est-ce que le nez est bien propre C'est sûr Est-ce que les ceintures sont bien accrochées est-ce que les laces sont bien attachées Est-ce que les blouses sont bien boutonnés? Voilà, très bien les enfants. Vous avez pris un bon bain avant de venir à l'école Vous avez pris un bon goûter Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire C'est... Voilà, allez, asseyez-vous. Voilà, on va écrire la date du jour, les enfants. Allez, les enfants, hier, c'était quel jour Hier, c'était Quand c'est quel jour Jeudi, on efface ça. Hier, c'était jeudi. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est vendredi. les enfants. Comment on écrit vendredi On commence par la lettre. La lettre ça correspond à quelle consonne La consonne V. Après V, après E, après N les enfants, c'est la lettre, la lettre, après D, R, après R, E, après E, D encore, D, après D, I, très bien les enfants. Donc aujourd'hui, c'est vendredi. Vendredi. Après 26, les enfants, quel est le nombre qui suit après 26 C'est 27. Allez, on vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Comment on écrit 27 Maintenant, vous me lisez la date. Aujourd'hui, c'est quel jour Aujourd'hui, c'est vendredi 27 janvier 2023. Quels sont les sept jours de la semaine

bien les enfants. Quelles sont les 26 lettres de l'alphabet? A, B, B, C, D, H, I, M, M, O, U, S, T, Uh -huh. Ça, c'est quelle lettre, les enfants? La lettre, la lettre, et ça, la lettre, la lettre, et ça, c'est quelle lettre? La lettre, la lettre, et ça, la lettre, la lettre, et ça, la lettre, la lettre, et ça, c'est quelle lettre? La lettre, la lettre. H. Et ça, c'est quelle lettre, les enfants? La lettre La lettre Et ça, c'est quelle lettre? La lettre La lettre Et ça, c'est quelle lettre? La lettre La lettre Et ça, c'est quelle lettre? La lettre La lettre Et ça, c'est quelle lettre? La lettre La lettre Et ça, c'est quelle lettre? La lettre La lettre Et ça, c'est quelle lettre La lettre La lettre Très bien. Et ça, c'est quelle lettre La lettre La lettre Très bien. Maintenant, chantons ABC. ABC, D, A, E. Allô, allô Mes amis, mes amis Mes amis, mes amis ça. Très bien les enfants. Donc on va faire la lecture des signes graphiques. Hein? La lecture des signes graphiques. Allez, venez ici les enfants. Doucement, doucement, doucement, doucement. Voilà, doucement, on fait doucement. Ah aha. ah. ah, ah. à gauche, le trait oblique penché. La ligne brisée, le rond, la courbe ouverte à gauche, la courbe ouverte à droite, la courbe ouverte à gauche. la courbe les, les, les, la, les, les, les, voilà. Très bien, les enfants. I, U, O, A, E, Très bien, ce sont les voix, voyelles. Allez, maintenant on lit les consonnes. Très bien, les enfants. Allez, on passe maintenant à la lecture des mots. Très bien. Ah, ah. Ah, Allez, poussez-vous un peu. Allez, poussez-vous un peu. Allez, reculez. Aha. Allez, asseyez-vous. Voilà. Allez, Ramatoulaye, viens. Uh -huh. Allez, tu nous lis les signes graphiques. Tu parles fort. Uh -huh. Doucement. Attends, on recommence. Le Le Le Le uh -huh.

Voilà. On va maintenant à la lettre de Comment on lit ça Ah

Mhm. Très bien. Allez, montre-nous ici ton nom. Très bien. Rahmatullah. Va. Ah, ah, ah, ah. Madame, ah, moi. On doit rester, chacun doit rester à sa place. Allez. Ma porte vient. Amina, retourne à ta place. Ah ah. Allez, viens ici. Mhm. Donne-moi. Ah ah. Ah ah. Aha. ah ah. Ah Parle fort. Aha. Non, non, on recommence. On n'a rien entendu. Allez, tu parles fort. Parle fort. Ah, ah. La mhm. Le télé oblique. Le, le, le point. Ah, ah. le télé vertical. Le télé horizontal. Ah, le télé oblique. Le télé oblique penché à gauche. Le télé oblique penché à droite. La ligne du jeu. Le long. La coupe ouverte à gauche. La coupe ouverte à droite. La coupe ouverte en haut. La coupe ouverte en bas, uh-huh. les vagues, les uh-huh. ponts à l'endroit, les uh-huh. ponts à l'envers, la cam horizontale, la cam renversée, la cam debout, la cam penchée, la cam, les justes pilaires, les volets. Petite boucle, grande boucle. Maintenant, on va à la lecture des voyelles. Uh-huh. O, A, E, E, E, Voilà, comment on dit ça O. O. Et ça, c'est quelle voix U. U. La voyelle U. La voyelle I. I. Et ça, comment on dit ça E. E. Et ça, c'est quelle voyelle E. La voyelle E. La voyelle E. La voyelle E. E. Allez, maintenant, tu les consonnes. E. p n m r v r d b. Très bien. Maintenant, on va aller toutes les syllabes. Di, Aha. du, do. Viens ici. Attends. Di, du, do, da, de, de, de, de. Aha. Bi, bu, bo, ba, b, be, be, be. Aha. Ni, nu, no, na, n, ne. Mais. mais. Ah, parle fort. Comment on dit ça? Me. Ah, ah la consonne ah, ah. Mi, mu, mo, ma, me, me, me, me. Ça, c'est quelle consonne? Vi. La consonne? le Ah, Vi, vu, vo, va, v ve, ve, ve. Ah, Li, lu, la la, le, le, le, le. Ah ça c'est quelle consonne De. La consonne Le. Ah Li, lu, la, la, le, le, le, le. Voilà. Comment on dit ça De. Hein Di. Di. Du. Et ça Du. Ça c'est quelle syllabe Da. La syllabe Da. La syllabe Da. Ça c'est quelle syllabe La syllabe La. La syllabe La. Ra. Et ça La syllabe B. Ça, c'est la syllabe, je dis pas consonne. Bi. Bi, très bien. Ça, c'est la consonne B. B. Voilà. Comment on lit ça Bi. Bo. Bo. Et ça B. B. Ok. Bi. Uh -huh. Bi. Bo. Ba. Très bien. Allez. Maintenant, on va à la lecture des mots. Bonjour. Ah, ah, parle encore. Bonjour. Ah, Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Comment on dit ça? Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Mhm. Tu nous lis les sons complexes. Mm-hmm. Uh-huh. Uh-huh. Allez, montre-nous ici ton nom. Ton prénom et non? Très bien. elle âge, m'accorde, Sao. Uh-huh. E, e. E. C'est comme ça. Et. Très e, e, bien, Amina. Allez, montre-nous ici ton nom, ton prénom et nom. Très bien, Aminata. Diallo. Très bien, les enfants. <laughs> Allez, c'est bon, on s'arrête là, les enfants. Voilà, on s'arrête là. Allez, allô, allô. Allô, allô. Mes amis, mes amis. Ça. Mes amis, mes amis. Ça. Debout. Allez, récitons la poésie. Mon école. Très bien les enfants. Maintenant, on va entamer une nouvelle leçon sur la logico-mathématique. Voilà. Avant de commencer, on va faire une petite révision de la leçon précédente. Voilà. Quelle est notre dernière leçon en logique, les enfants à, Très bien. À l'intérieur, à à l'intérieur, à Très bien, les enfants. Allez, venez voir. Doucement, doucement. Allez, venez voir. Voilà. Allez, les enfants, ça c'est quoi Qu'est-ce que maîtresse a tracé au sol C'est un, c'est un grand rond. Il y a un autre nom Très bien. Un cercle. Un cercle. Très bien, les enfants. Maintenant, je vais choisir quelques Allez, allez vous asseoir. Voilà, doucement. On fait doucement. Voilà, doucement. Allez, Ramata, viens. Voilà. Amina, on s'assoit. Va t'asseoir là-bas. Allez, Mohamed, viens. Voilà. Finke, viens. Euh, là, Marie, Marie, viens. Amina, tout t'assois. Hein? Allez, ma corde, viens. Voilà, c'est bon. Allez, Laura, tu vas t'asseoir. Après, Cheikh Omar, viens. Allez, les autres, on s'assoit, on s'assoit. Voilà. Allez, les enfants. Mm -hmm. va t'asseoir. Voilà, c'est bon. S'il n'y a pas assez de place. Voilà. Ah Cheikh Omar, va là-bas. Très bien. Mohamed, va là-bas. Allez. Marie, va là-bas de l'autre côté. Finke, toi aussi, va là-bas. Mhm. Très bien, les enfants. Voilà. Allez, les enfants, ça, qu'est-ce que c'est C'est un C'est un C'est un cercle. Très bien. Maintenant, les enfants, on va faire un jeu on va faire un jeu, je vais vous dire la règle du jeu. Voilà. Donc quand je dis dans la mare, tout le monde rentre. Sur la rive, tout le monde sort. Dans la mare, rentre, prend. Sur la rive, très bien les enfants. C'est quoi une mare d'abord C'est quoi une mare C'est un, c'est un milieu en non. En résumé, c'est un milieu en non. Voilà c'est la rive qui signifie le terrain ah moom mooy li ci bordure voilà C'est moom rive Mars c'est un milieu en non peu profond nga du du xóot day am ndox nii mais mi day a du vous avez compris voilà très bien les enfants allez dans la mare sur la rive dans la mare sur la rive dans la mare. Où êtes-vous les enfants À l'intérieur du, du cercle. Très bien, vous êtes à l'intérieur du cercle. Sur la rive, est-ce que vous êtes toujours à l'intérieur Où êtes-vous maintenant À l'extérieur. À l'extérieur du... Très bien, donc à l'extérieur de la mare, c'est-à-dire sur la rive. Très bien à l'intérieur, à l'extérieur, à l'intérieur, à l'extérieur. à l'intérieur Moi, fan suis moi, lan ci Moi, chibir, ci à l'extérieur moi moi, très bien les enfants allez asseyez-vous ça C'est le Et ça La Quoi Maintenant, exemple, qu'est-ce qu'on vous a demandé de faire De mettre le point à l'intérieur Parece que você pagou, tá né? Très Maintenant, je vais représenter les deux bâtons au tableau. les enfants. Ce bâton, on peut le nommer le bâton, le bâton rouge. Très bien. Et l'autre bâton, on peut le nommer le bâton vert. Allez les enfants, regardez-les. non encore, uh-huh. encore, encore. Très bien les enfants. Uh-huh. Allez, Momo, la mets bien. Maintenant, si tu veux, si tu veux, si tu veux me comparer par rapport au bâton vert, qu'est-ce que tu dis Tu dis que le bâton rouge est... Et le bâton rouge est... Ah, ah, on utilise long. Et plus long que le bâton. Que le bâton. Que le bâton. Vert. Voilà. Le bâton rouge est plus long que le bâton vert. Maintenant, si on commence ici, le bâton vert est, est plus, est plus court que le bâton le Très bien. Donc long et court. Plus long, plus court. Bravo aussi à maîtresse Awa, machallah, carrément euh, beaucoup de pédagogie. Euh, maîtresse euh, enseignement dans le cadre général une critère tax surtout la petite enfance kooku yan yan yan yan critère moo war a nekk ci nit ki pour ñu mun koo confier am responsabilité lu euh, euh, dénku xale yu mel nii. donc avant tout pour nga yor xale foog nga nekk nit koo xamante ne si da ngay bàyyi lu bari parce que yor xale tamit yombul noonu mais tamit boo ko tàmmee rek du dara day mel ni comme si ni que da ngeen di vivre en famille voilà day dem ba dañuy bokk sax si yow début bi mom dina am parce que mais chaque jour dañ lu bari waaw mais fi wax deug fa yalla am ñu vivre en famille ce genre de classe c'est pas n'importe qui lañ ko wara confier non non y a beaucoup de waaw Il que nga mëna muñ nak ah, waaw bu nekk gis nañ ko fi nga mère aussi la patience normalement ci voilà surtout surtout

Euh, c'est par amour la li muy def loolu la koy defee ñu ñëw fii euh, on n'a pas dérogé à la règle li ñoom tamit li ñu def yow tamit ci loolu nga teg sa tànk mm-hmm. ci loolu tamit ñu leen ñaanal rek euh, bonne continuation mm-hmm. di leen féliciter di leen encourager parce que comme je l'ai dit c'est pas du tout évident nga yor xale yi mel ni mm-hmm. nga leen nga def ci ñoom ci lu war te macha allah ngi ci atelier wu di def le maximum pour yalla yalla yàlla fay coono rek la ñuy wax. ah ci lolu mbokk auditeur yi déglu Safina ci 98.2 diko 2 ci Safina TV machallah li lañ leen indiloon tay ci Safi éducation Safi éducation di dox ci lépp lo xamantene ne ñu ngi koy yëngu mu jëm ci wàllu éducation. di remercier nak euh, le directeur le doyen tonton Alioune Ndiaye mi ñu facilité ñu ñëw fi avec beaucoup vraiment de de facilitation ñu mëna a def lii tey wone aussi euh, au. Euh, vu de tout le monde li nga xamantene ne la jama Fuuta Taal mi koy def ci préscolaire bi dañuy yegg nak inshallah dañuy dox ba dem ci classe CM2 yenen classe yi ñu découvrir ñu découvrir li nga xamantene ne la jama Fuuta nek nekk ci Urbam di def un travail remarquable donc euh, ñu joxante dig daje à la prochaine inshallah sur Safina FM 98.2 et sur Safina TV merci de l'autre côté à notre technicien Samba Mamadou